Nigériens, Nigériennes, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Kone Cheja, Aujourd'hui, nous recevons un grand artiste musicien, chanteur d'origine Bé. Il a débarqué au Niger en 2002, les 10 ans de Gentleman 2002, où il a chanté avec euh, Jazz Chris, Sentiro, Bagnato, Zambaria. Sentiro, Bagnato, Zambaria. Nous étions en 2002 mesdames et messieurs Après il a évolué au sein d'une formation La formation c'était l'Ultaco Gourma Ensuite il a intégré l'Orco 5 Le groupe Orco 5 où il a chanté Tindindo l'ariani, ça veut dire l'exclusion de la jeune fille. Pour vous dire par là qu'il est très très engagé, il fait avec la société. Alors, on va écouter un extrait de cette chanson. Eh, chose à bannir dans la société du Niger et partout d'ailleurs dans le monde. Il faut dire par là qu'il a continué tranquillement sa carrière solo. Il a chanté eh, ça vous dit certainement beaucoup de choses. Eh, <laughs> le message était clair quand même. Alors ensuite, il a chanté Coronavirus. Pour cette raison, nous le recevons sur cette émission pour qu'on puisse parler de cette pandémie. Et ça donne comme ça. coronavírus Eh, corona corona ti <laughs> ari ki ya cha e corona ta di tu tu tu tu tu je suis la bienvenue l'artiste ça va bien Oui, ça va, je vais bien. Euh, tu peux continuer je n'ai pas de soucis. Comme ça, on va parler, on va causer sur la musique. Euh, Benoît, je te souhaite la bienvenue sur cette émission. Aujourd'hui, on va parler du coronavirus. On va parler aujourd'hui de cette pandémie. Alors, Benoît, euh, coronavirus, il ifononu kubani mine par corona virus ay nari yari ifononu chani corona wikenge te utati argi yacha ti eh ame samuga jine gisobe sang ko bara irla misali ga corona amung jine sambu am koy ngono ti esba corona virisi tugati argi yacha twashikiakia oh. ausanga <laughs> <laughs> amo ngine samu sabe donc oh. dono uror dia ir mara eh, eh, matine binde à travers eh, youtube ag ba nim famande se il faut non ba il faut se non fondo woni sambo nim salan nim dono woni wote quand edi doro ka mhm. bon aine c'est c'est vrai mm-hmm. parce que doro c'est vrai agono warkol mm-hmm. mangi nga ago nga bon mm-hmm. min kambe nyim eh, mi si lambi chargari mi suman chargari mat kayir go kay oh misal ga voilà oh. donc eh, nga no borgo wara wodi sona mo ila sa voilà ni min kambe nyim oh. mi hana nga gite ni wade doro din me gurman cici no nun dono oh gurman cici na go ci borese oh eh, ka ima go dinge bon doro wonu fama de sikan doro bon oh, asindi safar mm. d'abord kulma ago nga bon Mm. doro din gono mm, oh, donc bore ma hago dingue oh, bon voilà doro gono imangue bon minga bandi ambor quoi to ça marche donc hay euh, ba num famande se sanne o kulkan irte irga ba misali ga euh, gurumancen gonu kango gurgune dono mo numa na tekala misali ga ne sonne o kul kan nitse ngene ga ba nim sambai se gurmanci ci ne message o kan goni se wasika kan goni se Niger gurmanci kul kan gogir hangan à travers ir radio partenaire e kul ima bai kan dorizo gono dorizo goga hasarautemo eh, sanno kan ay sintinda gurman kikena nugo bai imate akul nim eh, sangir fandi alentie piba bi jable ambo puo ba abin eh, cengin po mala mala ni ke tieni zer gurman kul pat mfandi kulo yalintie coronavirus po ke tu wani eh, swandi ke tu wani coronavirus po utie yan yuyo ke wu nyogo la yokul un yulbo ngala ukuba yulbo ngan tiebe kindra nu jogandi yambu ke ba ke nyopi pia nyobu la on ke dago chua uh, alelo nuni aya ku aliebe am ngal siga inda ba kurgi alantie tun ba ke chiarle wi yan itiyemo mone ke uyiyan wiyen ye latiye fama lawni tin tuwo ligiyaɓe in yerdi yaala ok mambo wawani yaala yani bye bye Bye bye. Bye bye okay marabu. <laughs> Ay ma bye bye. So bina sama se dono sama se corona parti ke info comme ça ban wone. Tulari amon bangala. Eh pagila amon bangala. Eh sanin ton ke miya wanga da coronavirus ligiya babu sanin ton ke mu wahi bon Allah ai kilon tolum babu sanin ton ke mu wahi bon Allah coronavirus wiyan can cue tingin ni yokulun kubo yuli bon Allah coronavirus biyarten kowdi labon ngal lawo teyiyan yon kapiyen yogo coronavirisi Corona ah, pays. Les gentlemen. Ladies <laughs> and gentlemen, nous allons finir cette rubrique avec les 1 bien évidemment, du programme Jeune parce que ça fait pratiquement un an et que vous nous kiffez à travers nos radios partenaires. Alors aujourd'hui, nous allons vous faire un truc. Hein. Joyeux anniversaire, cette fois-ci c'est spécial. C'est une première, mais en gourmandier. Alors il va me faire le truc et on va l'écouter et on va voir ce que ça va donner. Alors si tu es OK, bonne on va aller. Joyeux anniversaire en tout cas. On fête les 1 an du programme Jeune sur ce. Nous vous demandons de rester en compagnie de l'émission Tous à ni bin maskoi tai in kunna shi jiki ya tsira hey